Nous rendrons grâce à Dieu parce que nous venons d'accomplir notre, devoir citoyen en votant. Et euh, c'est à la suite d'une campagne paisible, une campagne qui s'est bien passée dans, dans son ensemble. Il est évident que la campagne a été positionnée dans cette période qui n'est pas conforme à la pratique électorale, puisque nous étions dans un contexte de, tabaski, un contexte de baccalauréat, d'examen, de baccalauréat de et un contexte d'hivernage. Vous cumulez tous ces facteurs-là, vous avez un contexte qui n'est pas favorable. Et je pense que c'est quelque chose qui a été fait à dessein pour euh, freiner l'élan de l'opposition, pour empêcher l'opposition de mobiliser ses troupes partout dans le Sénégal. Mais vous avez vu la dynamique nationale que Yé Askanui a eue et qui a montré partout au Sénégal dans des zones qu'on croyait propriété du parti au pouvoir ou de la coalition présidentielle pour montrer que le Sénégal a définitivement basculé dans la voie du changement. Nous sommes confiants par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. La seule chose que nous notons, c'est le taux de participation qui est très faible, même si dès le matin, nous avons noté un engouement des Saint-Louisiens, mais il se trouve qu'il y a eu la pluie, comme dans beaucoup de zones, et ça a freiné, euh, euh, ça a freiné la participation, ça a freiné la volonté de la population de, sortir voter. Maintenant que la pluie s'est arrêtée, on va appeler massivement les Saint-Louisiens à sortir voter. Ce jour est important puisque le Sénégal est en tournant démocratique, économique, institutionnel et c'est important euh, de concrétiser le choix et l'option nous avons fait qui est de changer définitivement l'orientation de ce pays. Donc vraiment, nous appelons les saint lusiens à sortir voter, à sortir s'exprimer. Je pense que c'est important. On est sûr qu'en début d'après-midi, on aura un regain de participation. Mais pour l'instant, la seule chose que nous avons, c'est la participation assez faible, et qui s'explique naturellement par la pluie qu'on a connue ce, matin. Maintenant que les choses sont rentrées dans l'ordre, je pense que la participation va redémarrer et on appelle les saint lusiens à sortir voter massivement. ñu leen di gërëm di sant yàlla ndax euh, campagne bi jaar na yoon ndax campagne bi def nañ ko si jàmm ak salaam euh, waaye li ñu ci xaw naqari un peu ndax ku xool jamono ji xam ne du jamonoy campagne électorale du jamonoy vote ndax boo jëlee campagne nga teg ko si weeru tabaski euh, jëg ko si weeru examen mu am baccalauréat ak bafem teg ko ci wàllu nawet loolu yëpp day nek lu nga opposition day tax mobiliser ay troupes day tax nit ñi seen xel campagne kon na mu ngi am Sénégal mu ngi Sénégal donc vraiment euh, euh, ñu ngi ñu ngi euh, sénégalais yi ñu génn voter ñu génn voter massivement taxaw participer massivement parce que bés bu am solo la ndax démocratie Sénégal moo ko Sénégal ku ku ku xol xamne dafa nek en tournant ci walu yu beuri walu koom-koom walu démocratie walu institution et lolou sénégalais ñoko tan ndax gis ngeen lepp li doon top yeewu askan bi wane ni fu nek les sénégalais ont choisi yeewu askan bi parce qu'ils ont choisi le changement kon nak ma ngi ñaan doomu ndar yëpp naam sax doonoon taw ci suba mën a nekk gàllankoor waaye comme taw bi sewet na na ñëpp génn voté massivement ndax dafa am solo bés bi bésu Sénégal la bésu démocratie la et puis lépp lu ngeen dogal rek li ñuy déglu ko dégg ko et réew mi kon ne dox ni mu daan doxee jërëjëf